Une nouvelle façon de voyager. bonjour euh, Bienvenue à tous et ravi de vous retrouver à cette édition sur la télévision Tambara. Le président de la République, Bazou Mohamed, en visite de travail et d'amitié en Algérie, a conjointement animé hier, mardi, un point, avec le président algérien Abdelmajid Feboun, un point de presse. Il ressort de ce dernier que les deux chefs d'État ont convenu de l'ouverture de la frontière terrestre entre l'Algérie et le Niger pour faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. Plusieurs points, autres points étaient évoqués lors de cette rencontre entre les chefs d'État. Suivant un extrait. Nous venons d'avoir euh, un entretien d'abord en tête-à-tête avec le président Tebboune, puis par la suite élargi à nos deux délégations. Je voudrais remercier très sincèrement le président Tebboune, le gouvernement algérien, le peuple d'Algérie pour euh, la qualité de l'accueil et l'hospitalité euh, tout à fait caractéristique dont nous avons bénéficié depuis que nous sommes un pays frère d'Algérie. Euh, nous avons fait un point de notre coopération et nous avons, et ce que vient de le dire le président Tebboune, dégagé les points d'intérêt euh, sur lesquels nous avons eu un échange très fructueux, que ce soit dans le domaine, malheureusement, euh, ces derniers temps récurrent de la sécurité, que euh, dans le domaine des questions à caractère économique et social. Je fais part au président Tebboune le grand programme que nous avons engagé dans la région de Difa, qui consiste à ramener toutes les populations déplacées depuis l'année 2015 du fait de l'insécurité dans leurs villages respectifs. C'est une opération qui va concerner plus de 100 000 personnes pour laquelle nous avons besoin de deux types d'assistance, une assistance d'urgence humanitaire, mais aussi une assistance en vue du relèvement, l'économie, profit de ces populations dans cette zone. C'est une zone à l'extrême est du Niger. Euh, je lui ai fait part évidemment de notre vœu de voir pour les produits euh, commerciaux s'ouvrent toutes les deux semaines. Euh, j'ai dit au Monsieur le Président Tebboune que nous souhaitons que cette frontière soit ouverte au quotidien pour que le flux des échanges tout à fait naturel entre nos deux pays euh, se développe. Euh, nous avons également soumis le problème des Nigériens qui viennent travailler en Algérie, qui sont de plus en plus nombreux, et c'est normal, parce qu'ils y reçoivent un accueil de qualité, ils ont beaucoup d'opportunités de travail, mais malheureusement, euh, ils sont souvent sinon très souvent retournés, euh, alors que nous avons, nous, besoin euh, de cette fenêtre-là euh, pour les travailleurs nigériens euh, le président Tebboune a été particulièrement euh, ainsi que euh, de tous les sujets traditionnels de notre coopération dans le domaine de la formation professionnelle notamment, sur lequel mon programme à moi met un accent tout particulier, ainsi que les autres domaines vraiment classiques de notre coopération sur toutes ces questions. Nous avons eu un échange fécond fructueux et euh, un dispositif de coordination a été mis en place, euh, porté du côté algérien par le ministre euh, des Affaires étrangères et je suis convaincu que nous allons donner une grande impulsion à la coopération hum, de notre, entre nos deux pays. C'est pourquoi je remercie très vivement le président Tebboune ainsi que le gouvernement algérien. Le président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou, a présidé ce mercredi 14 juillet 2021 la cérémonie officielle d'ouverture de la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2021 de la dite institution compte rendu Aïs Adamou et Ibrahim Kantaba. Déroulé en présence du Premier ministre chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou, des présidents des institutions républicaines, des membres du gouvernement, du corps diplomatique et plusieurs autres invités, cette session a été convoquée pour statuer sur un projet de loi portant première rectification de la loi de finances 2021. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale a d'abord rappeler l'importance de l'ordre qui les réunit avant de revenir sur le devoir de la citoyenneté face aux finances. C'est fort volontiers que chacun d'entre nous est revenu à Niamey pour prendre part à cette session extraordinaire car son ordre du jour est de première importance. Il repose principalement sur la rectification de la loi de finances 2021 rectification rendue nécessaire par la configuration de certains départements ministériels, l'obtention des ressources additionnelles et la prise en charge de certaines dépenses supplémentaires. En effet, en dépit de la qualité des prévisions budgétaires arrêtées en décembre 2020, un réajustement est aujourd'hui indispensable pour adapter le budget général à la mandature qui démarre. Il sera certainement nécessaire de revoir la répartition des précédentes allocations budgétaires consenties aux différentes missions de l'État et également tenir compte des contraintes de fonctionnement que connaissent certaines institutions. Quoi qu'il en soit, il nous faut travailler à plus de rationalité dans l'emploi des ressources publiques par une affectation encore plus judicieuse des crédits budgétaires. Le président du Parlement nigérien a aussi demandé au gouvernement de poursuivre les réformes déjà engagées afin de s'adapter à la vision du président de la République Bazoum Mohamed. Les modifications proposées au titre du présent collectif portent sur certaines mesures fiscales, des ouvertures additionnelles de recettes ainsi que des ouvertures et annulations de crédits. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables collègues députés, il est un devoir pour moi de vous rappeler, et à travers vous à tous nos compatriotes, que la citoyenneté passe par la contribution financière au fonctionnement de l'État. Pour sa part, la représentation nationale ne cessera jamais de le répéter. Il est coupable pour tout citoyen de se soustraire à l'impôt. Mais il faut cependant le reconnaître. Dans de nombreux cas, il revient à l'administration fiscale de créer les conditions d'une meilleure contribution du citoyen. C'est le lieu donc d'en appeler au gouvernement afin que la restructuration de cette administration, entamée ces dernières années, se poursuive encore avec plus de fermeté, aux besoins en lui octroyant les moyens matériels et financiers la hauteur des résultats Cette deuxième session extraordinaire de la troisième législature de la 7e République au titre de l'année 2021 a été ouverte sur un encouragement à user des moyens de contrôle pour examiner avec efficacité et maturité le dit projet de loi portant première rectification de la loi de finances 2021. Écoutons à présent la réaction d'un député de l'opposition face à ce projet de loi portant première rectification de la loi de finances 2021 qui sera mis à leur appréciation. Il n'y a pas d'appréciation à porter sur le discours du président du Parlement. Par contre, euh, on attend le projet de, politique collectif budgétaire que nous allons examiner au niveau de l'opposition avec Munici. Si les raménagements concernent l'amélioration des conditions des plus démunis, l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble des Nigériens, bien sûr que nous allons examiner cela avec bienveillance. Mais s'il s'agit encore de se repartir euh, les fonds publics, nous, nos positions, nous engagerons pas sur cette voie. Ce qui est important pour nous, c'est que les Nigériens qui souffrent, qu'on puisse trouver une solution à leurs problèmes. Aujourd'hui, tout le monde connaît les méfaits de, de l'insécurité. Nous avons l'état d'urgence qui est injustement <clears throat> opposé aux populations, sans justification, sans efficacité. Et aujourd'hui, les populations souffrent de, cet état euh, de d'urgence. Donc nous attendons avec euh, impatience le collectif budgétaire. Nous allons l'examiner euh, sans état d'âme et nous prononcerons en toute connaissance de cause. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a visité ce matin le service des examens du baccalauréat qui est dans les locaux de la faculté des sciences juridiques de la rive gauche pour faire les points des préparatifs des examens du bac session 2021. D'autres détails dans ce reportage Ramat Oumarou et Abdelraouf Dayabou. Un examen se prépare dès le premier jour de la rentrée, à ton coutume de dire. Il en est de même pour le baccalauréat qui ne se prépare pas le jour J à l'OBM, d'ores et déjà, les équipes sont sur place pour relever les multiples défis que présente l'organisation du baccalauréat. Et c'est l'occasion pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche d'aller à la faculté des sciences économiques et juridiques de la rive gauche au niveau du service des examens du baccalauréat pour s'inquiéter de l'état des préparatifs des examens et de leur transmettre ses encouragements et surtout un message important pour la sécurisation des épreuves. Le bac étant l'examen le plus attendu de toute la nation, le bac étant, euh, de par euh, certaines directives communautaires, un examen qui doit s'organiser dans un sens de temps en même temps que les pays de l'UMOA, la préparation, l'organisation du bac fondamentale puisque c'est le bac qui ouvre l'accès à l'enseignement supérieur, l'accès à l'université et aux autres écoles professionnelles ou écoles d'enseignement général supérieur. Alors, nous, euh, ne pouvons pas ne pas euh, venir euh, prendre l'information nécessaire sur le niveau de préparation, le niveau, le niveau de l'organisation des préparatifs, l'organisation du bac, parce que euh, le 27 juillet, c'est après-demain. Euh, c'est après-demain et nous sommes en période de pluie. Euh, il faut mettre en place les jurys le plus rapidement possible. Il faut sécuriser nos documents. Il faut faire en sorte que toutes les équipes, aussi bien les présents du jury, les membres du jury, les correcteurs, que tout le monde soit mis en place. Alors, il est normal euh, que je vienne moi-même euh, chercher à connaître le, point de, le niveau d'organisation, que je rende compte au président de la République et au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement d'ailleurs, et que euh, l'opinion nationale soit également assurée que le bac se prépare bien, dans de très belles conditions. Le ministre a aussi lancé un appel à l'égard des candidats et aux parents d'élèves. L'appel, est simple, hein, c'est que nous voulons avoir un examen propre. Un examen qui ne doit souffrir d'aucune irrégularité. Nous avons eu déjà des alertes par rapport à des enseignants. Des enseignants dont certains de nationalité de pays étrangers qui parcourent les lycées, les CES, pour recruter des candidats à la fraude, moyennant un montant de 250 à 300 000. Et l'astuce a été donnée pour identifier les copies de ceux qui auront payé. La police est en train de suivre le réseau. Ce n'est pas bon de divulguer. Nous voulons attendre la fin des investigations pour les prendre et aussi bien les candidats qui se seront rendus coupables de cette tricherie organisée que les enseignants et les parents qui ont payé, tous seront poursuivis. Un enseignant qui se fait prendre dans une démarche de fraude, nonobstant les processus judiciaires, il sera carrément radié de la fonction publique. Le Niger n'a plus besoin de voleurs. Or, tricher un examen, c'est trahir le pays. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous allons sévir. On va parler de droits de l'homme. On y va. Les droits de l'homme, le pays aussi a des droits. Et ceux-là, ils n'ont qu'à faire leur valise pour fuir pendant qu'il est encore temps. Nous les suivons pas à pas. Et tous les parents qui ont payé ont intérêt à les retirer leur argent. Et à dire à leurs enfants de ne pas respecter le code qui leur a été donné. Notons que pour cette année, pour le bon déroulement de ces examens, toutes les dispositions nécessaires ont été prises, a martelé le ministre. Espérons seulement que cette session du bac 2021 soit différente de celle des années précédentes. Dans le cadre toujours de sa visite, le maire central de la ville de Niamey a eu l'occasion de lancer la création de nouveaux commissariats de police dans les quartiers en besoin des postes de police, à savoir Gamkale, Madine 1, Lazare et Calais Plateau. Mamadou Issifou et Abdul Nasser Abdou pour le compte rendu. Connaissant le calvaire et les difficultés auxquelles ces populations font face, l'infatigable maire central Omar Moumouni Dogari, qui est accompagné dans ses visites avec le DG de la police nationale, a procédé à la création d'un nouveau commissariat de police pour les quartiers dans le besoin. Entre autres, Gamkale, Calais Plateau, Lazare et Madina, qui prendra effet immédiat. Pour les commissariats en fonction, le maire procédera à un réaménagement pour que la police puisse travailler à son aise au service de la population de la ville du Niamey. Ainsi, les maires centrales et la troisième vice-maire ont ensemble félicité et encouragé les agents de la police compétente qui veillent nuit et jour pour assurer la protection de la population de la ville de Niamey contre les agressions, les vols, viols et les banditismes de tous genres Et les demande à plus d'efforts et d'énergie pour que la paix et la sécurité soient le flambeau des habitants de ces quartiers. À l'approche de la fête de Tabaski, ils sont nombreux les Nigériens, en particulier ceux de Niamey, qui s'adonnent à la grillade des moutons avec des fourneaux fabriqués pour la circonstance. Omar Boubakar est un soudeur à Niamey. Il fabrique des fourneaux destinés à la grillade des moutons pour la fête de Tabaski. Le studio Kalangu est parti à sa rencontre. wa dai sintina ya kansa iri sintin kate eh, man nan fo ai feji fo ka ai gicimsi ai no ai gork sin yan sai feji o eh, kom turi ni go da kal wikir kambu fejo mannin irne gisi kal fejo fumu après no bor fo cebe se ka a ir sudere wo don dir te fema kai gidan charbon abisa to ino jiro kan bare inga no irin sintin manna wayna furnai kalkal yanno feji hakku wani gono ki wai wani gono feji hinku wani gono itaci wani gono depute yanka ka dai ne eh soje yanka ka dai commerçant yan boren gari nin igini ce igini se nimi disinga ise feji way wane eh to bi fo dai irdu commande follam ne wa mali borfa ne nga konda bamako borfa dai feji wai wane anenga ga koy ka ha kara do hali konda zam nodin ingai wongai sabai lalle burkul kan dai mannam igo ka kirse kan lalle irmu kokari ide hannuno ka ir kan na borai sai for bobu kan yan dai mannan apre ge kan kiliyan fo kan ka dai koy zam sai mannan ingai wo ide anafa eh hakika ni na saba yake da shi yanzu wannan layya ta zo layya ta uku kenan yana yi da shi kuma yana da muhimmanci amma shi wannan in kana ragon da ya kai biyar shidda kana demi sak da sharbon in ka sa ya ishe ka kuma ba zai bata lokaci ba cikin awa biyu zuwa uku ka gasa nama ka dauke ka aje maimakon da ka sai ka sai ice na jika ashirin ka ce za ka gasa ragon da kai biyar ko shidda kai ini ma bai gasu da kake so ba ga hayaki kana tada to shi ko wanga in kana aiki da shi ba sai wani hayaki ya tashi ba tun da kitsan ragon ma bai zuba cikin murhun kote yake zuba wannan ma da kun ka taro ne nan ga wani makwabci na ke son shi na ce na akwai na sai shi bara ya bari in zo in sai mishi nan ni warne siye ban sake siya ba tunda abu na wanda ba na shekara biyu guda uku na ba yana aya maka shekara goma kana aiki da shi da ka kare dai ka sai ka aji wuri na kwarai in lokaci ya yadda ka aji shaka za ka ɗauko shi ba wani abu zai yi ba yanzu wanda gare shi kenan la fin de ce journal. Je vous dis merci et à bientôt.